Assalamu alaikum Sénégal, c'est Gazou pour un nouvel épisode de Combat Chef euh, saison 4. Alors nous sommes toujours au Sin Saloum, plus précisément à Nangan dans l'hôtel Les Cordons Bleus. Aujourd'hui c'est la première épreuve des pique-niques où Fatou et Cher vont s'affronter pour essayer l'un pour se qualifier, l'autre aura la possibilité de se rattraper lors de l'épreuve de la pêche. Alors s'ils ne veulent pas avoir le bonnet d'âne, c'est maintenant, on les retrouve. Nos cinq candidats, que sont euh, Mathurin, Cher, Aziz, Kumba et Fatou, se sont confortablement installés au cordon bleu pour cette semaine de compétition au Ciné Saloum. Pour commencer, ils ont eu à faire des entremets. Cette préparation leur a permis de s'observer et voir les qualités de chacun avant de rentrer dans le vif de la compétition. C'est alors qu'ils ont été confrontés à la première épreuve, celle des plats sénégalais revisités. Cher a présenté un Thiboudienne et obtenu de la part de ses concurrents une note de 10 sur 16. Mathurin, quant à lui, a proposé un Yassa Poulet et a récolté 8,5 points. Kumba a choisi de faire un Domoda, ce qui lui a permis d'obtenir une note de 13 sur 16. Fatou a préparé un tiukari et obtenu la note de 12 sur 16. Enfin, Aziz est retourné aux sources de la Casamance pour présenter un C'est bon revisité, ce qui lui a permis d'obtenir la meilleure note 14 sur 16. C'est désormais dans l'épreuve des cocktails que le classement deviendra définitif. Il faudra donc convaincre Amat, le chef barman des cordons bleus, pour espérer se qualifier et ne pas devoir rendre son tablier. Suite à l'épreuve des cocktails, c'est donc euh, Kumba qui est d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales. Cher et Fatou devront s'affronter dans l'épreuve des pique-niques et Aziz et Mathurin dans une épreuve des desserts. Fatou, pour cette épreuve des pique-niques, qu'est-ce que tu vas nous préparer Je vois que tu as déjà euh, des légumes et des fruits. Oui, je vais préparer pour les enfants des mini pizzas, des beignets crevettes et des beignets surprise. Très bien. Donc je te laisse faire tes courses, trouver tout ce qu'il te faut, après on retourne à la cuisine. À tout de suite. Dans cette épreuve des pique-niques, qu'est-ce que tu vas faire euh, Des brochettes de lot. Brochettes de lot. C'est pour ça que tu es au poisson. Ouais, c'est pour ça que je suis là. <laughs> Très bien. Écoute, je te laisse choisir tes poissons. Oui, a pas de problème. On se retrouve après. pas de problème. Bonsoir, je m'appelle Fatsek. Aujourd'hui, je vais faire le pique-nique avec Cher. Et je sais que ça va plaire aux enfants parce que j'ai grandi avec eux et que je vais les faire des pizzas, des beignets crevettes, mm, des chips, des biscuits, des cappuccinos, etc. Fatou Oui. Alors, Maintenant qu'on est revenu du marché, je vois que tu t'es installé un peu pour ton épreuve du pique-nique. Est-ce que tu peux m'expliquer maintenant ce que tu vas faire concrètement Oui, euh, pour l'instant, je vais faire des beignets crevettes, euh, du crispy, des pizzas, des mini pizzas, euh, des chips et des brochettes de hot dog, surprise et grillées. D'accord, donc un pique-nique complet. Oui, complet. Beaucoup de choses. Très bien, je te laisse faire. Ensuite, ce sera à ton concurrent cher et les deux petits-enfants dégusteront ton pique-nique. À tout de suite. Là, je suis en train de dresser les hot Panier et surprise. là, je suis en train de décorer. Je coupe ma tomate pour décorer mon assiette. Mes pommes chips commencent à adorer. de là, je suis en train de découper pour décorer l'assiette. हमको दा Chapeau pour la route à pied. et Là, je vais saupoudrer avec l'herbe de province pour lever le goût. tout Oui. <laughs> Alors, euh, bon, tu as fait ton pique-nique, tu as, bien avancé apparemment, tu as, fini presque Oui, j'ai presque fini. En train de dresser Oui. C'est ce que je disais euh, il y a deux minutes, hein. dis-toi, quand tu fais un pique-nique, il faut une valise entière. Ouais. Ah, <laughs> sais pas combien tu as d'enfants, mais là tu peux en nourrir 10. Hein. Ah bon C'est bien, tu as fait des merguez, des crevettes Crevettes, des crispy. Des crispy Il y a des mini pizzas. Euh, ça c'est roulé avec euh, <laughs> La chapelure Ouais. Avec la chapelure. Ouais. Et l'autre euh, C'est l'appareil à frire. Ah, c'est la farine avec du lait, des œufs. Ok, d'accord. Des chips, des mini pizzas Oui, il y a les mini pizzas. Très joli d'ailleurs. Tu as les biscuits aussi. <laughs> Très bien. Écoute, je vais dire à Cher de se préparer. D'accord. Tu vas pouvoir débarrasser un peu ta table et laisser la place. D'accord. Je te remercie. merci. C'est à ton tour de faire ton pique-nique. Donc, c'est des enfants qui vont déguster, je te le rappelle. Est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de préparer, ce que tu vas faire Oui, je suis en train de préparer une brochette de l'or. D'accord. Une brochette de l'or accompagnée de crevettes, et euh, garnie avec des, pommes de crevettes. pommes de crevettes Très bien. Je te laisse faire. Une fois que tu as fini, tu m'appelles, je reviens te voir et on passera à la dégustation avec les enfants. Il a tout de suite, bon courage. Oui, je suis en train de décorer mon assiette pour les grillades. Maintenant, l'assiette a été décorée. Je vais découper mes tomates en deux parties. c'est bien aussi de travailler avec le gaz Mamdiara. C'est efficace, c'est assurant. Et c'est franchement un travail de, professionnalisme avec le gaz Mamdiara. On ne peut pas on ne va pas avoir des sourcils pour cuisiner avec. Je vous conseille, je conseille à tous les cuisiniers d'utiliser le gaz Mamdiara. Parce que c'est efficace, c'est assurance. C'est de à 100% aussi. train de mettre de lui, Je les poissons, pour que ça ne colle pas. Maintenant, je mets les brochettes sur le feu. cher Oui. Donc, euh, je crois que tu as fini tes, tes brochettes de lot Ouais, je fais Écoute, tu peux me présenter un peu là je vois, euh. Oui, ce sont des brochettes de lot mm euh, décorées avec des crevettes, du citron, ouais. avec une sauce caramel. Mais caramel, c'est à, la base du mayonnaise, mhm. fait à la main. D'accord. Tu as utilisé pour faire tes pics là Oui, je l'ai utilisé pour remplacer les brochettes, pour avoir un peu de un peu mhm. d'originalité. C'est pour cela qu'on a que les jeux utilisés. Tu penses que ça va plaire aux enfants Oui, je, pense bien. Eh bien écoute, on va de suite leur proposer. Il n'y a pas de problème. c'est eux les juges, c'est eux qui vont choisir qui sera qualifié et qui ira à la pêche demain. Je pense que je n'irai pas à la pêche. Touche du bois. oui. <laughs> Alors, bonjour à tous les deux. On est euh, sur la plage du Sin Saloum et on va déguster ces deux pique-niques. Alors ici, on a le pique-nique de Fatou qui est composé euh, de plusieurs assiettes. Je pense qu'il y a des crevettes euh, qui ont été mises à l'huile. Il y a eu des crevettes avec la chapelure. Ici, il y a des brochettes de merguez, des fruits, des chips. Là-bas, des petites pizzas. Et ensuite, au dessert, des yaourts et ici des cappuccinos. Alors, c'est un grand pique-nique. De l'autre côté, on a Cher qui a fait des brochettes de lot, donc du poisson de la région avec des crevettes et une petite sauce d'accompagnement. Brochette, euh, c'est bien, il y a un petit goût citronné avec. Euh, ouais. Ça Ah avec le citron, Tu as raison. tu en penses quoi, Maximilien euh, C'est bon, surtout la sauce. La sauce, hein mhm. On voit bien une différence entre les deux sortes de crevettes. Elles, sont plus euh, croquantes. Que les De toute façon, c'est votre choix, c'est vous les juges. Donc, Fatou est qualifié, c'est ça. Et Cher ira à la pêche demain, essayer de ramener des poissons pour se qualifier. C'est bon Vous êtes content Oui. J'ai fini, maintenant le pique-nique euh, est fini, Fatou a gagné. Et maintenant, oh. C'est moi qui dois aller à la pêche, Maintenant, je te propose d'aller retrouver nos deux candidats du jour. Donc, il s'agit de Mathurin et Aziz. Ok, d'accord. Ça, ça sera une découverte alors. Très bien. on y va. Mhm. Nous sommes donc au marché de Nangan pour faire les courses pour cette épreuve des desserts. C'est la première épreuve sur ce thème. Aujourd'hui, Mathurin Aziz, vous êtes concurrent. vous allez combattre l'un contre l'autre. Un sera qualifié, l'autre devra aller à la pêche en espérant être repêché pour la suite de la compétition. Je vous laisse faire vos achats pour les desserts. Alors pour cette épreuve des desserts là, qu'est-ce que tu vas nous préparer euh, Pour l'instant, je vais juste vous donner les éléments et je vais vous laisser deviner le dessert. Donc j'ai repris mon élément fétiche qui est donc du bissap, le bissap rouge. D'accord. On, s'en sert pour faire du jus. J'ai pris des mangues fraîches, mhm. des œufs, du lait concentré et du sucre. Très bien. Je devinerai pas de suite, mais j'attends de te voir à l'action. A tout de suite. Aziz, qu'est-ce que tu vas faire comme dessert Bon, tout dépend de ce que je trouve des briques d'Adrien. Brique de Adrien. C'est moi ça Waouh, ça c'est toi. Bonsoir, c'est Abdou Aziz. Je suis revenu encore pour parler de mon dessert. Je suis sorti premier avec le plat sénégalais, mais il me faut un dessert pour m'assurer que je suis qualifié au premier tour. Je fais des briques de chocolat avec euh, du du cocorapé. Je l'appelle brique de terre et je vais l'offrir à Adrien pour construire sa première maison au Sénégal. Aziz, bonsoir. Oui, bonsoir, Gazo. Eh ben, toi, tu as de la chance hein, parce que hier, tu étais déjà euh, avec la fraîcheur. Oui. Et aujourd'hui encore, tu débutes. encore avec la fraîcheur, ah, c'est Alors là. C'est mon tu es en train de préparer une pâte pour un gâteau. Oui. Et je suis très content parce que je vois du chocolat. Ouais, je fais du gâteau au chocolat, des briques de chocolat. Des briques de chocolat Oui. bien enroulé avec euh, du. Du sucre euh, Non, non c'est quoi Non, c'est du coco râpé. Ah, du coco râpé mhm. D'accord. Très bien. Donc, mhm. je te laisse faire Oui, à tout à l'heure. On se revoit tout à l'heure. Ouais. Bon courage. Merci. Je fouille bien ma pâte, bien, bien, bien fouettée. En même temps, je rappe un tout petit peu et puis continue à fouetter je rajoute mon essence de vanille pour colorer. Puis essence de coco pour parfumer. Un peu de fleuron. Et puis fouetter, bien, bien, bien, bien, bien fouetter. passe un grand coucou à le Bougaz, à tout le personnel. Je vous remercie de votre travail satisfaisant qui nous accompagne. Et je conseille à tous, toutes les amis cuisiniers, tous les cuisiniers d'utiliser le Bougaz, C'est le meilleur des gaz. économiques. économique, là devant vous, c'est parce que le cas est critique, la situation est grave. Je suis euh, dans une position où il faut que je sorte le dessert que j'ai jamais fait. Il faut que j'impressionne les jurys qui seront composés donc de la Miss Sin Saloum 2014. Je vais vous sortir un dessert. Si vous voulez reproduire, c'est celui-là qu'il faut reproduire. Bonsoir Mathurin. Bonsoir. On se retrouve sous les étoiles du Sin Saloum. Ouais. Alors là, je vois que tu commences une préparation. Qu'est-ce que c'est Alors, c'est euh, une surprise, mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ce sera présenté sous forme de verrine. Sous forme de verrine Voilà. Tout ça... savoir ce qu'il y a dedans Bien sûr. Ah, d'accord. Alors, on a de la mangue, on a un coulis de bisop, on a un crumble de spéculoos. C'est bien. voilà. Euh, un petit assortiment. Voilà. Très bien. Écoute, je te souhaite du courage. Merci. Nous verrons tout à l'heure. Oui qui la Miss Saloum va-t-elle choisir pour continuer l'aventure Et l'autre continuera aussi l'aventure, mais avec plus de difficultés puisqu'il devra aller à la pêche. À la pêche Je te souhaite bon courage, Dinabar. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Là, dans ce saladier, vous avez donc 5 jaunes d'œufs plus 120 euh, grammes de sucre. Et tout ça, on va le faire monter au fouet, que ça gonfle bien. En cuisine, le terme exact pour... Euh, cette technique que je suis en train d'utiliser là, c'est de blanchir les jaunes. Cette recette est composée de 5 jaunes d'œufs et de 120 grammes de sucre, avec un peu d'essence euh, vanille et de la coco. Maintenant, nous allons ajouter la crème fraîche pour apporter un peu d'épaisseur à l'appareil. Cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais... fais-moi tourner la tête, eh, tourner la tête, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, et rends-moi pète comme il y a, comme il y a, je suis l'ombre de ton yache, de ton yache. Je te remercie. Merci à vous. Et puis on va passer à la dégustation. tout de suite. Bonne dégustation. Merci. Chers téléspectateurs, vous pouvez retrouver nos meilleures recettes de nos candidats de la saison 4 Combat Chef, à savoir Mathurin, Fatou, Cher, Kumba et Aziz, dans votre magazine Délice, premier magazine gastronomique du Sénégal. Bon appétit Bonjour Rosalie. Bonjour. Alors on se retrouve à cette euh, table de dégustation. Mhm. Maintenant, le dessert que tu vas choisir va être qualifié pour la suite. L'autre devra aller pêcher. Donc soit il va continuer, soit il va être éliminé. Tout ça, c'est entre tes mains. Donc je te propose de commencer la dégustation. Là, tu commences par lequel Celui-là. Celui-là, hein? Pourquoi Parce que c'est une préférence Bah non, juste comme ça. Hein. Et naturellement, pour moi, ça, j'aime, j'aime pas trop le chocolat c'est trop sucré Mauvaise pioche. Hmm. Donc, tu choisis l'autre. les autres. Donc on peut dire c'est Mathurin qui est qualifié pour la suite. Et puis Aziz va aller rejoindre Cher sur, le, sur la pirogue. Le Miss n'a pas aimé le chocolat, du coup, euh, je suis mal barré pour. Je suis obligé d'aller à la pêche pour euh, me qualifier. Et mais par contre, elle en a raffolé. Hein. Maintenant, on va retrouver Aziz cher sur la pirogue. Voilà, c'est parti. On est désormais sur cette euh, pirogue euh, au Ciné Saloum. Alors, cher Aziz, aujourd'hui vous allez devoir pêcher. Un d'entre vous pourra continuer la compétition, l'autre sera éliminé. C'est bon Rosalie Je te sens pas très à l'aise sur la pirogue. moi <laughs> En tout cas, j'espère que vous allez ramener beaucoup de poissons parce qu'on a hâte de goûter vos grillades. C'est parti. Bon courage. Dinabar. the girl, and girly girl, you know who hit the warm and the curly the flow. Sticking the MG, hurly curly, gotta get this nigga like a stirler stir. See me in the car, but to get the car. I ain't talking baseball, but to get the glove. Don't be like OG and forget your glove. I'm trying to get a fitter nigga and get the jocks. Donc quand il n'arrive pas à pêcher, heureusement que le piroguier est là, on a un poisson, on rentre pas à bredouille. Rosalie, on se retrouve. Donc on est parti à la pêche. Maintenant on a sous nos yeux euh, le dressage des deux candidats, mhm. Aziz et Cher. Donc une petite pull là, il fait un peu, ah, il fait hein. un peu fraîche là. Mm. Bon, si on peut rappeler hein, aux téléspectateurs, il y en a un qui a pêché trois poissons. C'est Cher. C'est Cher. Et Aziz il, est revenu sans rien. Mais l'autre a été faire play, il a quand même laissé un poisson pour qu'il puisse dresser. Et mhm. Maintenant, on va déguster. D'accord. On goûte Ah, un Donc, si c'était seulement euh, pour la cuisine, j'allais voter ça ici, pour, pour, le plat là. Ok. Mais aussi, la pêche en fait partie. Mhm. Donc, c'est là le problème. On est obligé de donner euh, celui qui a pêché euh, mhm. ça. Parce que l'autre, mhm. Parce que l'autre n'avait pas une poisson avec. Mhm. Finalement Finalement, on est obligé de donner là. À cher À cher, ouais. Mais là, moi, euh, s'il n'y avait pas la pêche, mhm. j'allais choisir ça. Parce que le moi... l'esthétique, tu as choisi celui-là. Ouais. Bonsoir, je suis revenu du pêche. Mais bien dommage, je suis disqualifié parce que je n'ai pas pêché. Par contre, mon adversaire a pêché. Il a trois poissons. Et on va, il m'a donné un poisson. J'ai préparé, il a préparé. C'est la même mise qui, euh, qui revient encore. Euh, elle, elle préfère mon assiette, elle préfère euh, la décoration de mon assiette. Je préfère le goût de mon assiette, mais c'est comme c'est cher qui a pêché, il y a donné le mérite et je ne suis pas découragé, je suis mature et intelligent, ça ne me décourage pas. Je peux revenir avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de force la prochaine fois, mais pour cette fois-ci, je suis désolé, je ne suis pas sans chef. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que se conclut cet épisode de Combat de Chef saison 4. Au vent sur la pirogue du Seine Saloum, avec euh, la mise du Ciné Saloum Rosalie. Alors, aujourd'hui, le vainqueur s'est qualifié pour la suite de la compétition. Malheureusement, on a dû se séparer d'un élément aujourd'hui. Mais pas de souci, nous continuons l'aventure, la compétition. Je vous propose de se retrouver la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à reproduire chez vous ce que vous avez vu ici, car une bonne alimentation est à la base d'une bonne santé. À la semaine prochaine. Rosalie, ciao. ciao.

boo leen bëggee bu baax loo bëggaas maam jaar rek ko am nag.